C'est juste la dénomination, c'est peut-être la couleur de la monnaie qui va changer, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Parce que quand ils disent qu'ils sont prêts à garantir, même en cas de déficit, en cas de crise économique grave dans les pays, ils sont en mesure de prendre. Non, mais ça ne va pas se faire gratuitement. Depuis quand ils sont devenus bons samaritains pour pouvoir prendre nos pays où les économies fonctionnent mal, où euh, la gestion des finances publiques fonctionne mal. Comment voulez-vous qu'ils prennent ça en charge comme ça, sans contrepartie Ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens